directeur bi ma leen indil tey nag mooy Babacar Pascal Dione mooy directeur info et domaine bu Thiès yor mouvement bu ñuy wax mouvement Dolli Macky ci mouvement am boobu MDM waaw ñu koy woowee MDM man dama gis muy def politique de développement di yëngu ci social ak luy jëmale réew mi kanam ma xam ko ci dëggoom muy tenir un langage véridique ma ànd ak moom loolu di liggéey ak moom léegi ma bëgg sama koñ développer te pour développer koñ foog naa ne da ngay jaar ci jeunes yi moo ma gëna a awale ko ci jeunes yi te bo gissé ñu dajalé quelques jeunes de route de Dakar de de Grand Standing de Mbourkat parce que ñun ñi lañu ñoo euh, dend ay koñ jaxu mi ngi Grand Standing nabu mi ngi route de Dakar 2, madame euh, Dior mi 4 man je ngi en 3 ñu def ko ben débat de temps parce que élection yi mi ngi ñew motax ñu bolé ko mais nekul bu ñu yu né dañ leen di fekk sen koñ mais jéxul tay ndax bi a door foog naa motax ma bëgg Babacar ngeen and ak mom liggéey yeen sen soxla yéen ma ko gën a xam man xaw ma ko ba koy soumettre Babacar Pascal luy yëngu ci développement moom ci la nekk yéen a xool li leen di développé ngeen soumettre ko ko waaw léegi Babacar mbooloo maa ngoog jeunes yi Babacar mi ngi noonu léegi jeune bu nekk euh, association bu nekk dañuy tànn benn orateur mu wax au nom de l' association mooy li ñu doon commencé léegi ka jotu yegg Babacar daal di egsi les jeunes de Mbour 3 l'ASC da ngeen di euh, L'association orateur des Jakarta aussi da ngeen tànn orateurs. les jeunes étudiants diplômés chômeurs ngeen out ben orateur aussi les femmes ngeen out ben oratrice Merci. Merci. salaamaaleykum mbooloo mi li ko soxna yi waxee rek Babacar Pascal moom mooy ne mooy ñëw daal pour waxtaan ak yéen te yéen ku ci nekk xamante lañ ñun fii ci koñ bi ku ci nekk am nga am nga loo soxla comme ni ma leen ko waa waxee léegi rek Babacar Pascal ñëwul pour élection rek dem yoon déedéet dafa ñëw pour pour waxtaan ak yéen àndandoo ak yéen jàppale leen dimbali leen

donc mën nañ leen a wan yoon boo xam ne du ngeen mën a développé wu moom daal ni ma leen ko mën a waxee en gros daal su ngeen ko su maitre i doléance lu mu ci mën rek dana leen ko wax ndax ku déggu la te ku xamit lii dox ci àdduna la waaw ki nga xam ne nag xam na luy dox ci àdduna fi mu ne nii moom ngeen mën a àndal mu mën leen a jàppale mën leen a dimbali ba ñu mën a suqaliku ñun ñëpp maa ngi leen di bàyyi nag ak kàddu bi ba ngeen ba ñu pare incha allah

merci beaucoup comme ni ñu waxoon rek la wax pour ngeen wax seen soxla ndax kenn ku ci nekk booy politique soxla nga jeune te fii boo xoolee ñu fi toog ñëpp ay jeune lañ kenn ku ci nekk yaa ngi sa carte d'identité kenn ku ci nekk am nga ci loo nekk ñii ay élève lañ ñii ay commerçant lañ ay étudiant am nañ diplôme te liggéey man wax commerçant ndax man commerçante la bu ndaw ba bëgg ñu jàppale ñu ñu évoluer gën a yéeg parce que ñun ñëpp daal ñoo ngi dañuy liggéey kenn ku ci nekk daal branche bi nga nekk dañuy ñaan yàlla Pascal mën ñu koo suuxatal ba kenn ku ci nekk li nga bëgg nga àgg ci ak jàmm ak salaam en plus de ça tamit bu ñu jàppalee ñu nek ko parce que kenn ku ci nekk bu la koy nekkal ñu bi wax la sunu doléance yàlla dimbali ñu ñu juboo ci ay kàddu ànd jëmale 2019 fal suñu président Macky Sall loolu daal la wax. comme ni ñu ko waxee woon sànq rek Toumboulet du teew ñu nataal Toumboulet du teew ñu nataal ni ñu ko ni ko waxee woon sànq mooy ku ci ne wax nga sa say say doole wax xam naa ni man du ma ndey mbiru ndey mbiru gars yi ñuy toog bu defee mi Bon, euh, excusez-moi, hein, parce que je voudrais un peu rectifier le format. Au lieu de dire euh, parole, je préfère man mi nga xam ni man maa ñëw fekk si leen yor un projet boo xam ni xamagu leen ko je pense que la bonne méthode mooy ma wax d'abord mu nekk un discours préliminaire yéen déglu ko li ma wax bu fekkee am na ay questions yu ñu war a poser pour que ma gën a indi ay clarification ma déglu leen su ko defee buñ paree nous sommes les de parole Nous wax jëm ci échanger parce qu'en fait euh, dañu wax thé débat n'est-ce pas Khadi thé débat ça veut dire qu'on boit du thé et on discute on débat ensemble donc euh, ce n'est pas un monologue mais c'est une rencontre d'échange donc euh, l'image ñëk je wax d'abord je voudrais me présenter Je ñom ñëpp wax ko Pascal John que euh, inspecteur principal des impôts chef du centre des services fiscaux de Thiès mais casquette casquette homme politique la fi homme politique me tout décliner tout de suite, ma du côté professionnel verser un peu vers euh, vers la politique. mais avant d'aller dans le vif du sujet je remercier d'abord vraiment les quatre responsables qui sont de braves dames ñoo xam ni yàlla boole na ma ak ñoom ñu commencé Ligue également liggéey bu am solo au niveau des quartiers Mbour 4 Mbour 3 Grand Sanding ak route de Dakar 2 euh, Dior Sey moo ñu au niveau de Mbour 4 euh, Diakhou moo nekk Grand Euh, Maguette moo euh, euh, route de Dakar 2 dans le jiw peut-être xarit. jaay Mbour 4 deux fois et Khadisel au niveau de Mbour Nous avons vraiment échangé. boole ak ñoom vraiment ñu échanger euh, am convergence de décision liée ensemble sur le plan politique je porte le même projet pour vous mais destiné surtout à la jeunesse Je veux rassembler la jeunesse en tout cas un échantillon de la jeunesse de ces quartiers là ma suis d'autant plus que j'habite euh, euh, pas loin d'ici, donc je suis votre voisin parce que ma je suis donc, euh, moi, personnellement, eu une audience au palais de la République avec le président Macky il y a de cela deux ans Ce suis a jël engagement les coordinate sur le plan politique Il la appelé à Tchadjaï parce que ma base politique se trouve à Tchadjaï, j'habite Tchadjaï mais dinaa la jàppale Thiès le président Macky Sall boo ci venir. ndigal mu ne ma jox parce que j'ai besoin d'un soutien à Thiès alors bima ma ma première démarche a consisté à rencontrer les responsables de l'affaire à Thiès ñom ñep individuellement ken ku nekk dem naa seeti la waxtaan ak yow wax également projet pour appeler le président Macky Sall ñom aussi ñu nangul mako euh, il ma il a créé le mouvement nous trouvons que le mouvement dans l'île Maki. Euh, comme son sigle l'indique objectif du mouvement est apporter un plus augmenter l'électorat du président Macky et pour cela il n'y a pas mille méthodes moi j'ai dit que ma cible principale ce sont les gens qui ne font pas de la politique à Thiès et ils sont nombreux de wax convaincre ñu fekk ci mouvement mais également dem dans l'électorat des partis de l'opposition parce que Barina la preuve c'est que l'opposition m'a géré les communes de Thiès jusqu'à présent donc nous sommes nek sama principale cible ma di ci évidemment parmi ces cibles là il y a la frange femme et la frange jeune qui constituent véritablement le maillon essentiel de l'activité politique soo ko seetloo ku fi fan jigéen ñi ak la fan d'ailleurs ñoom ñoo les activités politiques loolu moo tax vraiment euh, ma santoon xat yi ñu dajale leen ñu bokkal ñu waxtaan man nag nee président Macky Sall laay jàppale maanaam dama toog ba gis son programme mu doy ma le plan Sénégal émergent euh, ci service bi ma mu am ci ay projet d'investissement yo xamni très yu ci bari day jaar sama euh parc éolien bi nga xamni mu ngi doon euh inaugurer yàggul dara muy ben centrale solaire qui xamni dafa wara produire 30 mégawatts ñu yok ko ci électricité bu Sénélec ak yenen projet yu mel yu bari xamni ñu ngi dans cette zone yooyu yëpp régularisation foncière yi jaar sama loxo muy ay projet d'envergure des projets importants té impact projet yi ñu dal di ko gis parce que vous avez en 2012 Macky Sall bi fait vraiment courant pour régulier à Moulouan. pratiquement que groupe électrogène m'a fait fonctionner parce que tout simplement la présence du courant était l'exception et les coupures étaient devenues la règle mais si vous ko de 2012 à 2016 2017 c'est vrai que les coupures sont un peu mais c'est des coupures qui ne sont plus liées à l'alimentation en énergie mais si c'est un câblage B, les câbles vêtus sont peut-être moins indi a une coupure, mais en période d'hiver surtout donc def un effort très important et ça c'est un des aspects de la politique énergétique du président Macky Nous trouvons le mix énergétique parce que nous mu constaté ni électricité bi fi de jóge n'est nekkul énergie et énergie renouvelable mais l'énergie la boo xam boo ko xesee consommé nga consommer le pétrole par exemple il a pensé diversifier les sources d'énergie pour pour s'orienter vers les énergies renouvelables xam savez, ni jant bi tant que euh, àdduna fi kon on électricité euh, ça devient de l'énergie renouvelable c'est beaucoup plus adapté à la nature parce que nous la pollution et c'est productif donc investissement humain, mel noonu dafa am solo et sur le plan énergie Si vous avez ci vraiment les pistes de production les forages bari a trop de plans PUDC donc si vous le programme du président Macky Sall avez un programme qui est ni un président jeune né après les indépendances il n'a vraiment pas la sticose de la colonisation c'est quelqu'un qui veut développer le pays Je ne kii qui a la ma jóg il faut appeler à Thiès parce qu'à Tchès, vraiment, il y a une particularité Thiès un de dëkk boo xam finalement dañ ko taxé de ville rebelle de ville d'opposition et ça ce n'est pas bon pour Thiès n'est pas bon pour les jeunes de Thiès parce qu'en réalité si euh, Thiès contrait le pouvoir évidemment le pouvoir bi le minimum rek lay def te ñi nga xam ne ñoo mu def investissement pourtant Macky considérer Oultiès comme non, parce que mi ngi fait def investissement et je vais donner des exemples Souvenez-vous, par exemple euh, les dossiers qui ont été mis en qui fi entamé 444 euh, avec Idrissa Seck vraiment c'est des investissements qui ont été mis en ci le président Macky Sall moo ko eggali le cas de l'auditorium qu'on a mis à la disposition de l'université c'est l'une des meilleures salles du Sénégal maintenant jëlal l'université en tant que telle. en 2012 nous avons fait ñi étudiants en 2012 Nous avons ni ay kër lañ leen salles salle de classe regardez l'université actuellement c'est devenu un bijou Il y université ay universités investissement il y ko fi investissement na fi qui est nous Thiès lañ ko njëkk def ci biir Sénégal muy l'institut supérieur d'éducation professionnelle nek lo c'est extrêmement important parce que nous ñu constaté le système système éducatif au Sénégal fay former des diplômés mais des diplômés forts en théorie parce qu'ils ont leur licence leur maîtrise leur doctorat mais ça c'est des diplômes théoriques pour il faut donc verser vers une formation professionnelle adéquate loolu motax ñu créer ISEP et yo à partir du bac nga ci avec une formation diplômante avec un diplôme mën inséré dans le monde du travail Nous Thiès lañ ko njëkk a implanté ba yenen ville du Sénégal ñu ngi roy Thiès implanté ay même ay pays étrangers nous, nañu imprégné de l'expérience de de l'ISEP ISEP ñu fille koy à la sortie de Thiès à côté il y a l'école des sapeurs pompiers ñu le centre des services fiscaux donc il donc y a beaucoup d'investissements que le président fait à Thiès malgré le fait que Thiès est considérée comme une ville d'opposition L'on a dit. parce que si Thiès se cramponne sur son histoire notre ville risque de rater son présent et son avenir quand je dis l'histoire de Thiès c'est Idrissa sec. parce que l'investissement est fait, mon côté fort, mais il y a de cela 12 ans On nañ remercier parce que quand même nekkoon nañ ci position boo xam ne am na lu mu defar ci dëkk bi loolu ñëpp war nañ ko saluer mais loolu yàlla daf ko jeexal fa mu nekkoon yàlla def fa ñeneen kon ña fa nekk ñi nekk actuellement fi Idrissa Seck nekkoon lu tere waa Thiès ànd ak ñooñu pour que li Idrissa Seck def Thiès ñooñu def lu lu ko raw à Thiès c'est ça l'ange de notre activité politique ñu di leen invité ngeen mën ñu rejoindre dans ce combat là euh, man nag je suis un responsable qui ne fait pas de promesses si je ñëwee fii uniquement wax leen ni dama ñëw pour déglu seen doléance qui ne ma diplôme aw ma liggéey kii ne projet financé wuñ ko koñ bi poto lamp yi tàkkuñu euh, ndox amul ci koñ ça ça c'est de la démagogie parce que man comme maire du ma leen indil courant Je suis leen indil ay canalisation ndox ça c'est le rôle d'un maire c'est à vous de juger les maires est-ce qu'ils font le travail ou pas élection yooyu ça va être en 2019 par contre ce que je fais c'est de l'intermédiation je peux servir de couloir de transmission je transmets les difficultés des jeunes des femmes à l'autorité nous dit apporter une solutions.